L'actualité de la semaine, c'est tout d'abord euh, les résultats de l'évaluation des enseignants contractuels créés en main des 15 et 16 juillet dernier, qui ont été proclamés officiellement le jeudi par le ministre de l'Enseignement primaire Daoud Mamadou Marté. Sur les 56 444 enseignants ayant composé, 18 937 ont obtenu la note de 10 sur 20, soit 33,06%, euh, a annoncé le ministre. Les autorités de l'éducation prévoient de former les enseignants ayant des résultats acceptables et les médiocres seront exclus du système, a-t-il ajouté. Autre résultat d'examen cette semaine, ce sont les résultats globaux du brevet d'études du premier cycle et ceux du baccalauréat de l'année scolaire 2016-2017. Le gouvernement a annoncé un taux de réussite pour le BEPC de 29,98% contre 30,24% l'année dernière. Quant au baccalauréat, l'enseignement secondaire général a enregistré un taux d'admission de 26,06%, l'enseignement technique 31,59% euh, et 50,39% pour l'enseignement professionnel. L'actualité de la semaine a également été marquée par le Conseil des ministres euh, du jeudi qui proroge les mandats des conseils municipaux de six mois à partir du 17 août prochain, sauf ceux de la région de Niamey. En ce qui concerne la capitale, le Conseil de ville et les conseils d'arrondissement communaux seront remplacés par des délégations spéciales qui seront installées et conformément à la législation en vigueur, a conclu le Conseil des ministres. Affaire en justice euh, cette semaine, c'est le procès d'Abdoudan Neto, acteur de la société civile initialement prévu le 27 juillet, a finalement eu lieu le jeudi matin au tribunal de grande instance de Maradi. Il a été interpellé suite à une plainte du Conseil de ville de Maradi qu'il a indexé avoir vendu une rue du quartier Ali mais le jugement s'est déroulé en l'absence des parties plaignantes et le délibéré est attendu pour le 24 août prochain. L'actualité, c'est aussi l'insécurité à Niamey. La direction générale de la police nationale a dressé un bilan quant à la situation sécuritaire dans la ville de Niamey de janvier à ce jour. 11 cas de meurtres ont été enregistrés à Niamey, dont 6 au quartier Kwarategi, à la périphérie de la capitale. La police a annoncé avoir mis hors d'état de nuire, huit criminels impliqués dans ce même quartier. Enfin, les pèlerins nigériens ont commencé à atterrir en Arabie saoudite dans le cadre de l'accomplissement du Hajj 2017 depuis vendredi. Selon le président du comité d'accueil, tout se déroule dans de meilleures conditions, c'est ce qu'il nous a confirmé au téléphone.